Nigérien, nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. et Vous, vous rappelez certainement de Mirador dans Sarchi. Il était hier sur l'émission Franco Aoussa présentée par la Miss RIP. Nous avions parlé du parcours en question du combattant. Il est né à Zender en 1992. Pour rappel, tout a commencé en 2007 avec le studio Conche. Il a été épaulé d'une manière ou d'une autre par Divis. Il a été inspiré par la Dar West Connection, les artistes rappeurs confirmés Clash. Aujourd'hui, nous recevons l'artiste Mirador sur l'émission Tous à la Fada pour parler en question de ses œuvres artistiques. Mirador Dansarchi, Dandy la machine te souhaite la bienvenue. Le Big Clasher, comment tu vas Ça va très bien. Nigirko Sabu, tout se passe bien. Pour nos bonus, c'est déjà de disponible. 2007, tout a commencé avec le studio Kunche, avec bien évidemment euh, cette chanson, cette chanson qui quand même aussi, euh, n'est-ce pas, a parlé euh, des étudiants. On se rappelle tous en cas de cela. Mhm. Vous vous êtes adressé quoi aux étudiants ou c'était quoi le message que vous voulez véhiculer C'était quoi le titre déjà l'étudiant Étudiant, étudiante. Étudiant, étudiante. Mhm. Qu'est-ce que vous voulez dire par étudiant, étudiante Pourquoi étudiant, étudiante wirdi lokcodin cina etuden igo e tabi igo e tabi igo e tabi sangu misal ga cin da zari irgo tabira wati fono tabo gaban imaudan imaudan donc aran di etuden igo tabi aran aran doni se o me 9 février karin e bon ok irim doni se 9 février 1990 irbi se etuden igo dono après il faut no aranka Après, il a Son ambiance fou, 40. Il faut que tu sois ambiance. Boum, boum, boum. Boum, il y des place dans ma tête. Même les petits veulent jouer. boum, boum, y des place dans ma tête. Wato, wato, nous <laughs> Wato 2007, non, hein. 90 Serranina. Yeah, yeah. le premier album en 98, 10 ans après Nonka. Mais tu fais partie de la deuxième ah génération. Ah Top Irma Wadi, Boum Banda, groupe Osei, parce que ah vous avez opté pour quoi On désire Noir, on haram, Rubu, après. aussi, Toi, Ima. Single Inka. Donc, Arango Borekan, c'est un single, deux singles, fais gaffe, petit. Voilà. Super. Si on Kingel Kabana, groupe Osei. Groupe Osei. Maintenant, tu après. Irma Fourdura dora dora oh. ainoka dera ni noka ainoka aha mirador mirador noka den serci no furundi clash clash on est kairte sintina kairte gaite le rap n'a pas besoin deuxième son le rap n'a pas besoin oh mais c'est quoi le rap n'a pas besoin le rap n'a pas besoin de pétasses ou de putes. Le rap n'a pas besoin de tous ces arrivistes. Le rap n'a pas besoin de tous ces hypocrites. Le rap n'a pas besoin de guignols habillés. le rap n'a pas besoin d'hommes forts qui cartonnent, qui te frappent, qui te battent, qui t'imposent Sa loi, te pétine sous les champs. Le rap n'a pas besoin eh, d'hommes politiques ni de président de la République. <laughs> J'aime bien ce garçon, c'est un vrai clasheur. Hey, eh, personne n'est épargné sur cette émission. Il clash sur votre. Après, tu son fou, munafiche c'est quoi. Mais tu munafiche. Ah, non, ne pas munafiche, tu aussi jandé non. Againo mais. Ah mais. Ta. Hey, munaficho la zero, nigalego. Hey, hey. Donc, on est bon, qu'est-ce que tu as encore fait Après. Ouais, après. Tu ah, t'es son fou, il est ni ninde ni flow ni flow ifono son ayo nyangay se ir nyangay se nan ir kulu nyangay se après aranda ayman après da ayman te son hinka sauf sintina karanda ayman te ne be bu dwevi se go bo j'ai bien le ah, ah hein? songo no kanise bu no kanise non on me dit songo no kanise songo kulu songo kulu kanise <laughs> songo kulu kanise manu ganu ganu wandi yo maganu ganu ah. manu ganu ganu

on va lui laisser placer un mot à l'endroit de tous ceux qui kiffent cette émission. Voilà, kukan gogi wore guni. Afane mantidu sinbo. Niger mami. Guni ara mi chankan goni bina. Ay kukan goni bina Inshallah. Ta. Salam alaykum, Niamey, salam alaikum le Niger, salam alaikum le monde. Donc moi c'est l'artiste Rafal Maitobal Je suis originaire du dossier. Donc euh, pas aigba mchi. Les artistes, vraiment, à me soutenir. Oui, à me soutenir parce que il faut forte dire non, il faut Niger, mayo, Donc, rap, mantis faut non. Donc, à me soutenir. Donc, the word night Tu quoi. min banandi fa irban irban